nous avons toujours envie de rire quand nous entendons influenceuses. Elles influencent qui et vers quoi hein? Des influenceuses qui se plaisent à faire la propagation des contre-valeurs. Elles ne méritent pas ce nom. C'est plutôt ces braves dames qui sont là, qui sont en train de faire honnêtement leur travail en tant que spécialistes de la communication, qui méritent d'être appelées influenceuses. Parce qu'elles influencent dans le bon sens les jeunes, dans le cadre du formatage de la conscience collective. Donc des influenceuses, deux rappeurs et onze misses ce qui confirme les préoccupations que Diambra avait soulevées au mois de décembre, quand il y a eu le scandale qui avait euh, secoué le comité Miss Sénégal et qui avait poussé Diambra à déposer une plainte entre les mains du procureur à travers notre avocat, Maître Moussa pour apologie du viol, mais également pour euh, complicité euh, indirecte de proxénétisme. Parce qu'il est bien évident et le scandale de Dubaï pour World le démontre largement, que l'organisation des Miss Sénégal, que nous dénonçons hein, depuis 1998, quand le défunt Ambroise Gomis était là, a toujours été un vivier de recrutement des réseaux de prostitution de luxe et de proxénétisme. On l'a toujours dit et on le maintient. Alors donc, euh, nous avons dit au président Maxal que cette catégorie-là de victimes ou de fausses victimes ne nous intéresse pas. Ce pas des victimes, c'est des complices qui participent activement à alimenter ce réseau de Dubaï euh, porte à poti que d'autres qualifient de Dubaï WC, et que le, le, le pétillant, euh, euh, révérend pasteur ivoirien Camille Makoso qualifie de caca gang de Dubaï. Donc vraiment, il y a toutes sortes de qualificatif, tellement cet événement est inimaginable en termes de maltraitance inhumaine et dégradante de l'être humain. Alors donc, nous, ce qui nous a, ce qui nous a préoccupés, ce n'était pas ceux qui vont volontiers pour se faire corrompre, pour se faire souiller, et le mot n'est pas de trop, mais ce qui nous a préoccupés, c'est les Sénégalais de bonne foi, les Sénégalais de bonne foi qui ont été piégés. Vous avez parlé de 12 compatriotes sénégalais victimes. Voilà, c'est ça. Et on leur a fait, euh, on leur a promis mon et merveille en disant oui, comme c'était le cas pour la Libye quand on disait que c'est un pays qui est tout à reconstruire, on a besoin de plombiers, d'architectes, de, d'électriciens, de, de maçons, alors qu'en réalité, c'était un argument fallacieux brandi par euh, les réseaux de trafic de migrants pour les appâter et grâce à maître Aline Badra Sissé, que Dieu est son âme, qui avait réagi aux alertes de Djamra. Euh, la police a été activée et les réseaux ont été démantelés entre Yoff, Guide de Yembol Nord, Yembol Sud, parce qu'on les vendait comme des esclaves. Euh, France 24 l'a confirmé. Il y a eu un reportage de marchandage qui a été montré. Alors, cette fois-ci, ce qui se passe à Dubaï est 10 000 fois plus grave que ce qui s'est passé en termes de trafic de migrants euh, pour la Libye. Pourquoi c'est 10 000 francs plus grave Parce que les victimes ne peuvent plus rentrer. Dès leur arrivée euh, à l'aéroport, le premier acte de leur employeur pervers a été de leur confisquer leur passeport. C'est suspect. Alors la preuve, on a vu euh, concernant les ressortissants des autres pays impactés, les témoignages ahurissants qui ont été faits. Ah, parce qu'en réalité, ces milliardaires n'étaient en fait que des pervers sexuels qui se livraient à ce que l'on appelle la scatophilie, c'est-à-dire une déviance sexuelle caractérisée par une attirance vers les excréments humains. Alors ces filles-là, on les a obligées de manger des matières fécales humaines avant de se faire payer, bien que la somme soit assez euh, alléchante, 40, millions, 40 000 dollars, C'est quand même 20 millions de francs CFA, mais la plupart des rescapés, si on ose les qualifier ainsi, s'en sont très mal sortis. Certaines avec des dépressions, des cauchemars, des tendances suicidaires. Et il y a eu une Ougandaise dont la vidéo fait le tour des réseaux sociaux, qui a sauté du septième étage parce qu'elle n'en pouvait plus. Alors donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos compatriotes victimes, pas les, les complices dont je viens de parler. C'est cela qui a été la teneur de notre long entretien. Et j'en remercie le président Macky Sall de 20h à 23h. Je lui ai donné tous les éléments. Et il a eu la même... Certains me demandent quelle a été sa réaction. Mais c'est un Sénégalais comme nous. <laughs> Il a des sentiments, des, perceptions. Il a eu la même réaction que nous. Il scandalisé. Parce qu'aucun d'entre vous, ni Djamra, ni personne d'autre, ne pouvait s'imaginer que Niaoutef atteindre ce degré d'extrême, d'extrême euh, d'extrême scandale. Justement, le qu'est-ce qu'il prévoit Alors maintenant, au terme de notre entretien, il m'a fait comprendre qu'il va en urgence me mettre en apport avec une autorité de l'État. Je ne peux pas vous dire quelle autorité, pour que nous puissions travailler ensemble dans le cadre d'un partage d'informations. Parce qu'en fait, nous avons des informations que l'État n'a pas. La preuve, dès ma sortie d'audience euh, le lundi 9, le lendemain, mardi 10, nous avons pu, euh, grâce à la perspicacité de nos deux correspondants à Dubaï, c'est des hommes d'affaires régulièrement installés hein, qui ne font pas, du, du ils font pas partie du gang, qui m'ont donné cinq Sénégalais qui m'ont parlé au téléphone, parce qu'ils n'ont pas de téléphone pour parler. Ils leur a donné leur téléphone. Ils m'ont parlé, ils ont confirmé la situation de maltraitance euh, où ils vivent. Et je précise que ce n'est pas seulement des filles, il y a des hommes. Alors, nous avons parlé. Et euh, avant que je ne descende vous, vous voir, j'ai eu un contact inattendu venant de, de du principal intéressé, c'est-à-dire les autorités consulaires de Dubaï. Bon, pas de Dubaï, mais des Émirats arabes unis, parce que Dubaï fait partie d'un conglomérat de sept États qui constituent les Émirats arabes unis. Il était très satisfait des investigations menées par Djamra très content également euh, que nous ayons trouvé une oreille attentive auprès du chef de l'État. Il se dit prêt à coopérer. Donc il est parti en voyage et il devra me recevoir euh, à son retour. Alors dès que j'ai terminé mon entretien téléphonique avec l'intermédiaire de l'ambassade des Émirats arabes, je ne peux pas dire son nom, mais il est le responsable de la section économique et politique. Dès que j'ai terminé, mes partenaires qui sont à Dubaï ont poursuivi leurs investigations. Et il y a eu sept compatriotes supplémentaires qu'on a pu localiser, qu'on a pu retrouver. Ça fait donc 10. Alors donc, Inch'Allah, dès la fin de la semaine, parce qu'on est aujourd'hui jeudi, euh, dimanche au plus tard, je reprendrai contact avec le président parce qu'il m'a donné un canot où je pourrais le contacter sans passer par son secrétariat et toutes ses formalités. Où je pourrais le contacter en urgence. Alors dès la fin de la semaine, je le contacterai pour lui dire que Djamra a la liste. 12 Sénégalais. Je ne dis pas qu'elle est exhaustive. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas pu localiser. Dans cette liste, il y aura nom, prénom, numéro de passeport. Parce que certains, même euh, s'ils se sont vus confisquer le passeport, avaient pris auparavant la précaution de noter le numéro quelque part. Numéro de téléphone avec l'indicatif de Dubaï. Et adresse précise à Dubaï et leur adresse ici au Sénégal je le remettrai en main propre, sans intermédiaire, au président de la République, qui, en partenariat avec l'autorité diplomatique euh, de, des Émirats, vont prendre toutes les dispositions pour leur préparer des sauf-conduits diplomatiques afin de pouvoir les exfiltrer, les mettre dans un avion et les amener. Vous avez également parlé des vidéos qui ont fuité. Selon vous, quelle est l'origine de ces vidéos Alors, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Les vidéos qui envahissent la toile et qui secouent le monde euh, ce n'est pas les victimes qui les ont sortis. C'est inimaginable. Comment peut-on, euh, en tant que victime, humilier nous toroxal la ba fi toroxal mën ngay lekk ay cabinet nga di filmer di c'est inimaginable xam nga ñan ñoo ko génne parce que ñoom vous ñu defee yu bon sur le conseil de leur féticheur eh bien buñu ñu ba war ko wat pour faire fructifier leurs affaires parce que affaire dafa mystique te danaa ko développé bu baax tay di nag jamono ci Walfadjri parce que amna yo xamné xam mënu ma ci dugg waye buma togué oustad Assane Diouf on ira plus loin buñu ñu sen musiba yoy war ko wat en 2022 au lieu de reprendre le circuit des rabatteurs des intermédiaires ak yoy muy gudd ñi diko outal kenen té tubab néna euh on ne change pas une équipe qui gagne mais dañuy jël seen contact ils prennent leur contact téléphonique pour recontacter, n'est-ce pas, euh, avec celle euh, avec qui ils avaient eu à faire cette chose-là l'année précédente. Voilà. Et s'ils vous disent qu'il faut revenir et que vous dites non, vraiment, j'avais, j'étais tombé malade et puis j'ai eu des... Ils vous disent, soit vous venez, je vais vous donner un billet de première classe et vous aurez tous les traitements princiers comme la fois passée. Soit vous ne venez pas et je divulgue les audios, les photos et les vidéos dans les réseaux sociaux. Je dis bien, il y a des filles qui ont cédé à ce chantage et qui sont reparties. Mais il y en a certaines qui ont résisté, mais qui l'ont payé cher parce que les, vidéos à, visage découvert se sont retrouvées à foison dans les réseaux sociaux. Donc, vidéo, il n'y a les gens qui ñi di euh, euh, ce sont des victimes alors donc c'est un combat commun vous de la presse ne, ne croyez pas que vous allez rester sur la marge en train de compter les coups vous êtes impliqués au premier plan Djamra va travailler en étroite collaboration avec vous il faut que nous qu'on sauve nos sœurs et nos frères le président l'État du Sénégal ne peut pas tout faire on n'a pas attendu l'État nos investigations nous ont permis d'identifier et de localiser 12 victimes. L'État va faire le reste. Mais demain, la une mobilisation continue. Moi, je suis à votre disposition. Vous avez mon numéro de téléphone. Funchi Tollou, jël leen contact ak man ñu yaatal information parce que nous avons une def mafia bi dañu tiit nous fi les deux états parce qu'il n'est pas normal que l'on cherche que l'on cherche à souiller la qualité des relations entre nos deux pays parce que les Émirats arabes, c'est un pays ami. Ils ont investi combien de milliards dans le terminal à conteneurs là 300 hectares. Euh, suite à un partenariat entre Dubaï Port World et le port autonome. Ils ont créé combien de centaines d'emplois C'est un pays ami qui investit beaucoup. Jusque dans, dans la DER, la direction de l'entrepreneuriat euh, rapide, qui permet aux jeunes de trouver des emplois et des financiers. C'est un pays ami. Il ne faut qu'on laisse à personne, à des pervers sexuels, à des, des, des, déviants de scatophilie, à des homosexuels sénégalais et des Émirats, à des rappeurs corrompus, à des miss euh, corrompus également, on ne doit permettre à personne de salir la qualité de ces relations. Donc je vous remercie. aussi est une victime en Arabie Saoudite aujourd'hui. Qui alors, euh, je disais donc, pourquoi il ne faut pas les stigmatiser Mais prenons le cas de Mayang Diop, qui avait euh, alimenté la chronique médiatique en 2016. On l'a arrêté. Elle doit être traduite euh, dans une, au niveau d'une cour spéciale qui est l'équivalent de notre chambre criminelle. Et elle risque la peine capitale, c'est-à-dire la décapitation. On l'accuse de quoi d'avoir poignardé son patron ou sa patronne mais wax lan patron bi def ba mu ko nañ ko wax la alors donc euh, lolu un dossier euh, mais euh, je disais que c'est un autre dossier et qu'il faudra patienter que nous ayons fini avec le président Macky Sall sur cette urgence de rapatrier les otages et ensuite on passera sur le dossier Mbayang mais comprenez que cette démarche entre en droite ligne dans les médiations auxquelles Djamra se livre depuis plus de 40 ans maintenant. Je vous rappelle qu'on a été créé en février 1983, donc février prochain, nous allons célébrer nos 40 ans de combat et de réalisation concrète. Alors donc, euh, encore une fois, les victimes d'injustice sont là. J'en ai parlé au président Macky mais on attend la fin du dossier de, euh, Dubaï Kaka euh, pour nous occuper de la Sotrak.

day woné lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire lo wax ci Dakar instant. waaw c'est une première mais ni gissé Dakar instant fay prouver ne ko Dakar instant ci kanam la jëm inshallah allah. ñu koy suivre Dakar instant lan leen lay wax na gaay dem abonné leen bëgg ci actualité ñew leen ci Dakar instant. sa ligue rafet na trop machallah mbacké lo wax ci wa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew. ndax bañ naa ko chaque bu ma xëy yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci bi di ko xool rek. looy na fi comme ci Dakar instant. Dakar instant yéen a ngi instantané. boo yeewoo moom laay seetaan. boo tëddee. moom lay seetaan booy sinap. Instagram. Twitter. Imo. Dakar instant. Dakar instant à tout instant. maanaam ñu ngi koy koy baaxal ba mu baax. astuce. Dakar instant di leen bëggee rek.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 Adresse email gmail.com L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.